vient d'être 11h à Niamey, chers auditeurs du studio Kalangou. Bonjour à vous, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin pour ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Rukai Draman à mes côtés, Samira Rouafi. La technique est assurée par Seini Isaka et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Alors, Samira, bonjour, comment tu vas ce matin Je vais très bien, Rukaya, et j'espère que c'est pareil de ton côté. Oui, tout va bien, Dieu merci, Samira. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, Samira, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information qui nous sera présenté par Rafika Attaher. Une bonne dose de musique 100% nigérienne sera servie à nos auditeurs qui sont à l'écoute dans la rubrique Écho des régions. Nous partons pour Philindia afin de parler du ranch de Toukounous. Il y aura également la page sport avec notre chroniqueur sportif, de la culture linguistique du loti avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la rubrique hebdomadaire qui parle éducation Enfin, nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Aujourd'hui, euh, excuse-moi, euh, on a oublié d'annoncer euh, qu'aujourd'hui, en entretien, nous recevons Omoro Hamadou, organisateur du concours Wikiloverse au Niger, un concours photographique international qui se tient chaque année à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet, dont l'objectif est de mettre en valeur le patrimoine naturel des pays participants. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Kaya. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin alors, pour ce matin, il y a l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT au cours d'une assemblée générale hier qui a annoncé le rehaussement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG au Niger. Le SMIG passe alors de 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA, soit une augmentation de 11 953 francs CFA. Selon le secrétaire général de l'USPT, cette augmentation a été faite suite aux crises multiformes qui ont impacté la vie des travailleurs ces dernières années et prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Un incendie s'est déclaré hier au dépôt d'hydrocarbures de la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep de Zender suite à l'explosion de deux camions citernes. Bilan de décès, un blessé et deux camions-citernes brûlés. Incendie survenu lors du remplissage des cuves et pour l'heure, les enquêteurs cherchent à déterminer les causes exactes du sinistre, indique le souffle de Maradi. Présent sur les lieux, le gouverneur de la région de Maradi, excusez-moi de Zender, Lawali Amadou Madougou a intimé l'ordre aux habitants du quartier d'évacuer les lieux. Il suggère aussi le déplacement du dépôt de la Sony DEP hors de la ville, doté et doter le service de la protection civile de Zender des moyens sophistiqués pour mener à bien ses missions régaliennes de protection de population. Enfin, le président de la République, Mohamed Bazoum, a procédé hier 5 juillet 2023 à l'inauguration de la centrale solaire de 30 MW de Gorubanda à hauteur d'environ 20 milliards de francs CFA et construite sur une superficie de 27 hectares. Elle est la plus grande jamais réalisée au Niger et permettra de fournir l'électricité à 70 000 abonnés et à à peu près 500 000 personnes de la ville de Niamey à la fin du mois d'août 2023. Le président de la République a rappelé au sortir de la visite que la centrale contribuera à cet effet à réduire une certaine dépendance du pays en matière d'énergie dans les situations de rupture du courant. Le Niger ambitionne de produire de l'électricité qui servira à l'industrialisation du pays. Merci Rafika pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous recevons Oumarou Hamadou, organisateur du concours Wiki Earth au Niger, un concours photographique international qui se tient chaque année à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Ce concours est également une occasion pour sensibiliser à la protection de la nature à travers les photographies téléchargées dans ce concours. Mais avant de, vous, de lui donner la parole, nous allons d'abord écouter le premier titre des musiques de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Yarinya Maywayo » de Abdou Tambalio. On écoute. Oui, ambiance 2000 au programme de TV sur Bonjour les Niger. 1968 à Zender, Abdurrahman Garba alias Abdou Tambalio, est un musicien très engagé. Responsable du groupe Jagaraya Banda, Tambalio a un bon parcours musical. Tambalio a son domicile à Zender où il vit avec sa famille. En 2000, le chanteur Abdou Tambalio convainc Ali Atibili de partir avec lui à Niamey afin d'augmenter leurs chances de succès. C'était le titre Yarinya Meiwayo d'Abdou Tambaliyo du groupe Jagaraya Band. Comme annoncé, écoutons notre invité Omoro Hamadou, organisateur du concours Wiki Lovers au Niger. Dans cette partie, il nous parle du concours avec plus de détails et les avantages quand on y participe. Moi, c'est Omarou Hamadou. Je suis l'organisateur du concours Wikilove Earth 2023 au Niger. Merci d'être venu ici au studio Kalangu pour nous voir euh, dans cette émission Le Niger sur Kalangu. Alors, euh, parlez-nous un peu de votre, euh, du concours 8 Alors, euh, Wikilove comme son nom l'indique, Earth, ça veut dire la terre. Wiki Love Earth, ça veut dire euh, Wiki aime la terre. Alors, c'est un concours international qui est organisé chaque année du mois de mai à juillet et selon chaque pays et il est organisé pour euh, recueillir tout ce qui est en tout cas photo au niveau des milieux humides, des zones humides, des milieux naturels de chaque pays. Donc c'est pour valoriser en fait euh, le patrimoine naturel des pays participants. Alors cela fait combien d'années que ce concours est organisé Il est à sa 11e édition dans les autres pays mais c'est pour la première fois qu'on l'organise au Niger. Quel serait l'avantage Alors l'avantage, euh, l'avantage pour le Niger est que à partir de ce concours, c'est des centaines et des centaines de photos sur des milliers en tout cas qui révèlent une meilleure image de notre pays qui seront en tout cas prises par des photographes professionnels et amateurs. Et à la fin, ces photos seront utilisées dans des articles Wikipédia. Vous savez que euh, au-delà de, ce qu'on dit de nos pays du Sahel, il y a quand même des endroits euh, qui ont des beautés en tout cas exceptionnelles. Et mhm. pour faire parler de ces endroits, il faudra avoir ces photos. Et ces photos serviront de parler très bien de notre pays, qui révèle une bonne image en tout cas de notre pays, que ce soit les, aires protégées, les milieux humides, les zones d'importance internationale, les affluents, le fleuve Niger. en tout cas, tous ces endroits, tous ce qui est espèces euh, animales et végétales de notre pays seront en tout cas révélés à travers ce concours. Le concours est destiné aux jeunes seulement ou bien à tous les amateurs de photos euh, Le concours est destiné à tout le monde. Il y a déjà un lien qui est, euh, qui est là donc euh, à partir duquel les participants peuvent cliquer et puis soumettre leurs photos. Euh, c'est destiné à tout le monde, aux photographes professionnels, aux photographes amateurs et même euh, ceux qui peuvent utiliser leur téléphone pour prendre des photos peuvent participer. Mais ceux qui sont sûr, à la fin, pour euh, primer des photos, on va prendre, on va prendre des meilleures photos qui vont vraiment représenter le Niger à l'international. Et pour ceux qui seront lauréats à ce concours, quel serait l'avantage Qu'est-ce qu'ils gagnent alors, il y a déjà des prix donc, euh, il y a les détails dans le, les liens qu'on partage aux gens. Vous avez toutes les informations relatives aux avantages. Il y a déjà un premier prix où euh, la, première photo sera primée à 180 dollars. Le deuxième prix, c'est 115 dollars. Le troisième prix, c'est 80 dollars. Et un quatrième prix aussi de 25 dollars. Alors, euh, il y a aussi 10 personnes qu'on va aussi... On, va donner des prix, c'est vraiment à titre symbolique pour les encourager de participer, les motiver à participer prochainement aux éditions prochaines. Donc voilà, entre autres avantages, et l'idée aussi d'être euh, utile à sa communauté, de prendre des photos et parler de son pays. je pense qu'on a ce sentiment de satisfaction et au plus profond de soi. Euh, donc, je pense que c'est encore un autre avantage caché peut-être de ce concours. Voilà, Monsieur Moreau. Est-ce que c'est des photos seulement prises dans le cadre de ce concours Par exemple, j'ai pris mes photos aujourd'hui, le 1er juillet, le 2 juillet, et je vous les soumets. Ou bien, même si la photo date de longtemps, je peux participer au concours euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, même si la photo date de, de 5 ans, 10 ans, si vraiment la photo a été prise au Niger, photo vous pouvez en tout cas l'ajouter à ce concours, il n'y a aucun problème. Il n'est pas dit que forcément que cette photo soit prise euh, dans la période du concours. Est-ce que le nombre de participants, il est limité Non, le nombre n'est pas limité. Au contraire, nous souhaitons que les médias continuent vraiment à parler de ce concours. Comme c'est pour la première fois, c'est sûr qu'il n'y aura pas peut-être beaucoup de participants, mais voilà, avec peut-être la communication que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, les médias, nous espérons qu'il y aura aura beaucoup de participants. Donc, il n'y a pas de nombre limité pour ce concours. Même si c'est 1000 personnes qui souhaitent participer, ils, le feront sans problème. Mais, mais euh, le concours, c'est vraiment du 1er juillet au 31 juillet j'allais en venir. Vous nous avez déjà communiqué la date, donc c'est parti pour un mois oui, de concours. Tout à fait, c'est parti pour un mois. Donc pour soumettre ces photos, pour qu'en tout cas elles soient considérées eh, dans ce concours, il faut qu'elles soient soumises entre le 1er juillet au 31 juillet. Bien avant de continuer, faisons une petite pause musicale avec le titre Soya du groupe Toubal de Dosso. La création de l'orchestre Toubal de Dosso en 1980. 15 est né de la volonté d'un homme à la personne de docteur Ousmane Yaye qui avec euh, Marquito Len, principal sponsor du groupe et des amis se sont lancés dans une aventure purement distractive au départ. C'est en septembre 1997 que l'orchestre se révèle au grand public à l'occasion d'un grand concert au Palais de Sport de Niamey. L'orchestre Toubal compte à son actif deux albums Gozambiro et Katiboto et un opus spécial en hommage au chef d'orchestre Hassan Isaka, dit dernier décédé en l'an 2000. C'était le morceau Soyeya. C'est le moment de retrouver euh, notre invité du jour pour la suite de notre entretien. On a parlé des zones humides, des zones qui valorisent le Niger. Est-ce que c'est à vous de faire déplacer les participants pour aller dans ces différentes zones parce que le Niger est trop grand On a Agadez, on a quelques régions aussi qui sont merveilleuses. Est-ce que vous allez les faire déplacer ou bien à chacun d'aller faire ses photos et de vous les soumettre. Et le concours, c'est déjà au préalable, c'est un projet. On a déjà défini nos objectifs, qu'est-ce que nous voulons avoir, nos indicateurs, donc voilà. Et dans ces projets, on a défini euh, des actions, c'est-à-dire quoi À faire des, des sorties, ce qu'on appelle des photo walks. Donc, c'est des sorties photographiques avec des participants qui vont s'enregistrer. Par exemple, on ira, par exemple, au niveau de la réserve de, de cours et donc la zone girafe. On a prévu au courant de ce mois de faire participer 10 personnes qui vont vouloir partir là-bas. On va faire le, fleuve Niger, donc on va prendre une pirogue à moteur pour faire au moins 2, 3, 4 km où on va en tout cas faire des prises de vue le long de la vallée et puis les berges du fleuve. On a prévu de faire une sortie sur la réserve des Gardes Béji dans le Nord Maradi, donc euh, une réserve des biosphères. Et on va aussi organiser une photo walk au niveau de, de la zone des Gaïa, donc au niveau de la mare de, de et au niveau de, la l'affiliant euh, le Dalol Maori. Et aussi une dernière photo walk au niveau du lac Madarunfa. Alors, tous ces endroits, vraiment, nous appuyons, nous accompagnons les participants. C'est-à-dire quoi, dans l'organisation, tout ce qui est transport, en tout cas, tout ce qui est vraiment connexion Internet, nous les accompagnons pour aller c'est pas forcément les mêmes participants. Euh, on va essayer de varier pour que, par exemple, ceux qui vont partir à courir, par exemple, ils vont faire leurs photos maintenant. ça, ne va pas être les mêmes qui, qui iront sur le fleuve Niger pour que, à la fin de ce concours, qu'on ait le maximum de personnes qui vont participer à ce concours. Et nous les accompagnons euh, du côté logistique, donc pour qu'ils soient vraiment à, à l'aise, faire les photos et revenir. En même temps, nous avons prévu de faire des sessions de téléversement. Les sessions de téléversement, c'est quoi on a prévu de faire une session à Agadez, une session à Dosso et, deux sessions à Niamey. Donc, à la fin de chaque semaine, on organise une session, on invite les gens qui ont eu la chance de faire des photos mhm. pour qu'ils viennent euh, à cette session. Ils auront accès à l'Internet pour téléverser les photos. Le téléversement, c'est quoi C'est une session ou bien c'est une séance au cours de laquelle mhm. nous montrons en tout cas aux participants, aux photographes, comment soumettre leurs photos pour respecter en tout cas les critères et puis voilà pour que vraiment la photo soit soumise dans, respectant les critères. Donc, euh, on, est en on est en contact avec d'autres personnes qui nous accompagnent dans l'organisation, par exemple au niveau d'Agadez et puis au niveau de Dosso, pour que vraiment, euh, comme la période est très courte, donc on est accompagné avec d'autres personnes qui vont nous faciliter pour que vraiment ça soit bien organisé. Ok. Est-ce que ces photos qui seront soumises, celles des gagnants, bien sûr, plus on utilise les photos pour illustrer des articles est-ce qu'ils seront rémunérés euh, Pas du tout. Les photos déjà vont être en, euh, un accès libre, mhm. donc euh, de droits d'utilisation partout. À partir du moment où vous les soumettez, mhm. c'est comme si vous dites à tout le monde de les réutiliser. Mais ce qu'on peut faire avec ces photos, parce que les, 20 photos que nous allons, euh, qu'on va choisir, ou que le jury va choisir à la fin, elles seront exposées à un endroit public. Nous avons pensé à, un endroit déjà qui est fréquenté par beaucoup de personnes tel que le CCFM, où nous allons exposer ces photos. Donc, en tout cas, les participants ou bien d'autres personnes qui vont être des passages vont voir mhm. les meilleures photos de ces endroits. Et à l'international, ces photos s'il arrive que ces photos seront choisies, il y aura aussi des prix qui seront décernés à ces personnes. Quel est votre souhait à travers ce concours Mon souhait vraiment, c'est une réussite totale de, cette campagne. Et je souhaite qu'à la fin de, cette période, qu'on ait au moins 1000 photos téléversées, des photos à divers endroits de notre pays et des photos qui vont parler d'une bonne image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de, de, de, de l'insécurité, de tout ce qu'il y a dans notre pays, il y a quand même des endroits qui méritent d'être visités, des endroits qui méritent on euh, qu'on parle de ces endroits de manière positive. Merci beaucoup, M. Oumora Hamadou, d'être passé nous voir au studio Kalangou dans cette émission. Je vous remercie aussi. C'est un honneur aussi pour moi d'être là et de parler de cette campagne. Nous vous remercions pour l'accompagnement, en tout cas dans ce cas de ce concours. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rukaya, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes jeudi et nous allons parler d'éducation. Et ça sera ici même à Niamey, précisément au studio Kalango. Effectivement, Samira, nous allons parler d'une empreinte numérique et c'est avec Farid Bouraima de l'équipe numérique du studio Kalango. Bonjour Farid. Bonjour Samira et Rukayatou. Bonjour. Alors Farid, explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une empreinte numérique et euh, Samira, une empreinte numérique euh, est aussi appelée ombre numérique ou empreinte électronique, ce qui désigne les données que vous laissez derrière vous quand vous utilisez Internet. Ces données comprennent les sites web qu'on visite, les emails qu'on envoie et les informations que vous soumettez en ligne. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez Internet, vous laissez derrière vous des informations qui forment ce que l'on appelle une empreinte numérique. Cette empreinte peut se développer de plusieurs manières en postant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant à une newsletter, en laissant un avis, c'est-à-dire un commentaire en ligne, ou en faisant des achats Internet. Parfois, on ne se rend même pas compte que l'on contribue à la croissance de notre empreinte numérique. Par exemple, des sites web peuvent suivre notre activité en installant ce qu'on appelle des cookies sur votre appareil et des applications peuvent récolter vos données sans que vous ne le sachiez. Une fois que vous avez autorisé une organisation à accéder à vos informations, elle peut vendre ou partager ces données à des tiers. Pire, vos informations personnelles peuvent être compromises en cas de violation des données. Vous entendrez souvent que l'empreinte numérique euh, peut être qualifiée soit d'active ou de passive. Hmm. Et qu'est-ce qu'une empreinte numérique active Justement, Rukayatou, une empreinte numérique est active quand l'utilisateur partage délibérément ses informations, des informations sur lui, autant pour moi, en postant sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne. Si un utilisateur est connecté à un site web par exemple, via un nom d'utilisateur ou un profil enregistré, toutes ces publications feront partie de son empreinte numérique, de son empreinte active. D'autres activités peuvent contribuer à l'empreinte numérique active comme compléter un formulaire en ligne, ce qui arrive souvent quand on parle sur un site, on vous dit de remplir un formulaire avant d'accéder aux autres informations. Et l'empreinte passive est créée quand les informations sur l'utilisateur sont collectées sans qu'il n'en soit conscient, donc à son insu, sans qu'il n'ait donné son aval. Cela se produit par exemple lorsque les sites web recueillent des informations sur le nombre de sites web que vous utilisez, votre localisation et votre adresse euh, IP, Internet Protocol. Il s'agit d'un processus invisible dont l'utilisateur n'a pas forcément connaissance. Des empreintes passives sont générées par exemple quand, les quand des réseaux sociaux et des, annonceurs utilisent euh, les likes qu'on attribue à des sous des publications, des partages ou des commentaires en dessous des posts pour créer un profil de vous et vous ciblé avec du contenu personnalisé. Je pense que certains d'entre vous ont vu des contenus qui les ont été... Alors, Farid, pourquoi les empreintes numériques sont-elles importantes Et Samira, les empreintes numériques sont importantes car elles sont relativement permanentes, donc à vie. Une fois que vous, les, vous donnez les, vos données, vous les rendez publiques ou même semi-publiques, comme cela peut être le cas avec des publications sur Facebook, leur propriétaire a peu de contrôle sur la façon dont les autres vont les utiliser. Une empreinte numérique peut déterminer la réputation numérique d'une personne, qui est aujourd'hui aussi importante que la réputation de la vie réelle. Donc la vie virtuelle n'est pas à négliger. Des employeurs peuvent vérifier l'empreinte numérique de leurs employés potentiels, notamment sur les réseaux sociaux, pour décider de les embaucher ou non. Les écoles et les universités peuvent aussi faire la même chose avec les étudiants qui postulent chez elles. Les cybercriminels, on insiste sur ça, peuvent exploiter votre empreinte numérique à des fins de phishing pour pouvoir accéder à votre compte ou créer, usurper votre identité sur la base de vos données que vous laissez sur les réseaux. Pour ces raisons, il est utile de se demander ce que des empreintes numériques disent de vous. De nombreuses personnes tentent de gérer leur propre empreinte numérique en faisant preuve de prudence dans leur activité en ligne. Si je comprends bien, Farid, le fait que j'achète des articles sur Internet, remplir des, je remplis des formulaires, euh, publier des photos sur les réseaux sociaux signifie que je laisse des empreintes Oui, c'est cela, tu laisses énormément d'empreintes. Mais Farid, avec tout ceci, comment alors protéger euh, notre empreinte numérique Comme les employeurs euh, ou toute autre personne susceptible de, qui s'intéresse à vous, il est tenté d'aller jeter un coup d'œil sur le net. Mhm pour euh, trouver euh, qu'est-ce qui, ce quelles sont les empreintes que vous avez laissées sur euh, Internet. Donc voici quelques conseils pour vous donner que je vais vous donner afin de vous protéger. Mm-hmm. N'utilisez pas Facebook comme un moyen de connexion. Il arrive que vous partez sur un site, on vous soumet un formulaire. Voulez-vous vous connecter avec un nom d'utilisateur ou utiliser votre compte Facebook C'est de cela qu'il s'agit ici. Si vous utilisez votre compte Facebook pour créer un compte sur un site tiers, ils auront accès directement à vos données personnelles. Ils mhm. peuvent extraire euh, ces données sans votre autorisation. Mhm. Il y a le VPN, euh, un réseau virtuel que vous pouvez utiliser. Donc, euh, je vais m'arrêter là je dois préserver mon empreinte vocale <laughs> pour d'autres rubriques d'éducation numérique. Merci Farid pour ce mini-cours sur l'éducation digitale. Prenons une autre pause musicale au Kaya et cette fois-ci nous allons écouter le groupe Yana qui nous vient avec la reprise du titre du ballet de Gaïa, Mayela Yana Ayubanya et deux danseurs. Le groupe Yana est créé en 2012. Mhm. Yakbi et Nana, de leur vrai nom Yakuba Adamou et Nana Fatima Suleiman, se sont rencontrés au studio de production euh, audiovisuelle Magic Sound où Yakbi était programmeur de presque toutes les productions de ce studio. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il découvrira cette douce et sensuelle voix. Nana et lui propose de lui composer la chanson Ayubanya. Celle-ci acceptera et la chantera sous le label Magic Sound. Au même moment, Yakbi sortait sa chanson Tal Wale et le succès des deux titres était au rendez-vous. Ils finiront par enregistrer un album ensemble qui est sorti officiellement en mars 2011 et ce fut une grande réussite. Depuis lors, Yakbi et Nana cheminent ensemble non seulement en tant que couple mais aussi un duo de musique de choc avec la création du groupe Yana qui signifie toile d'araignée en house. Jahili on passe à l'écho des régions. Effectivement, Samira, aujourd'hui, nous allons dans la région du fleuve, je veux dire la région de Tilaberi, pour parler de la station sahélienne. Oui, euh, créée en 1931 sous le nom de Centre agricole de Filengue, puis transformée en 1954 en station sahélienne expérimentale de Touknous dans la dite localité. La mission principale de cette station orange est la sélection et la diffusion du zébu de la race Azawaka un milieu traditionnel. Aujourd'hui, cette station est menacée à cause de l'insuffisance du pâturage. Le préfet a effectué une visite pour voir comment sauver le ranch, suivant le reportage d'Abdoulaye Bagassa. Situé à Tukunus dans la commune urbaine de Filengui, le ranch de multiplication des bœufs de la race Azawak peine à fonctionner par manque de pâture sur toute son étendue estimée à 414 hectares. Aujourd'hui, pour nourrir les quelques 436 têtes disponibles, il faut commander de la paille de Pinyamé, ce qui n'est pas une chose aisée. Le préfet du département de Filingué a fait le déplacement à Tukunus pour échanger avec les différents chefs de village avoisinant le ranch et autres acteurs du secteur de l'élevage. Omarou Ibro, préfet du département de Filingué, explique. En fait, euh, euh, pour moi, c'est une réponse à une demande sociale. Les communautés qui vivent euh, au sein et autour du ranch euh, depuis longtemps, elle exprime euh, des soucis, des inquiétudes par rapport à beaucoup de difficultés que traverse le centre. Euh, le ramassage de la paille, l'insécurité, le vol des animaux, la divagation, beaucoup de choses. Donc, il fallait en tant qu'autorité à un moment que je m'organise pour aller et de parler avec ces communautés-là. Donc la motivation, elle est essentiellement euh, d'ordre social et elle vise à apporter une réponse à la demande de la population. Isouf Oumour et Ousmane Suleiman, tous chefs de village, nous livrent leur point de vue par rapport à la gestion du ranch. to sai in ce ma dai don rabin gonaki mu sun hita saboda duk abin da muka samu cikin gonaki mu cikin ƙarfin muna iya samun shi tunda yanzu yau ya an ka ce an yi gaje yunwa ta babu abinci to in Allah ya so duk kewayen karhe kai har inda ba kewayen karhe ba karhe nan cikin aka ci guna jiga telum lanje garji duka cikin kewayen karhe duk aka ci shi na babbar gudunmawa kenan abinda baka da gidanka ba shi ka zo cikin karhen nan ka samu kenan an ce karhen nan ya tashi kenan kai mu ma mun tashi dan haka ya sa unhwanin da muka samu cikin karhe ba mu iya misalin shi sannan kuma ga madara ga nono sannan kuma ya hadda sunan ƙasarmu. mu wallahi kiran da aka ga al'umma inda mutane suna ji ƙarhen nan ina ganin babu mai buƙatar shi ta cikin hannunmu kiran da nake mutane don Allah don annabi su kama mu na ƙarhen nan shi koma zama irin na da kamar da mun san shi kai dai in faɗa maka dai in ba da an ka ta ƙarhen ba jire ma da yanzu an kuma sayan shi ƙasar ga tamu mu in ba mu ji wani daɗi ba gaba waɗanda mun ka bari tsakanin ɗiyanmu da jikokinmu su su ji daɗin nan da mun ka ji na ƙarfi da farin park ɗin nan na tugunus ni kore ni tashi ina yaro na iske shi amma har yanzu ga gani shekara saba'in garan a ce cikin ɗan kwana biyu barkin ya lalace kuma wannan laihin ɓace shi wallahi ko a azam kowa azamu na mu mutanen gewaye ga ƙarhe saboda haka wannan mutane sun ka samu zakkuwa su tanye mu a gyara shi wallahi mutane da kamata a ma godiya kun mun gode Allah saka da alheri mu masu garuruwa na gewaye da farka ɗin tugunus ya kamata su kama muna a samu mutane da agewaye da shi park din nan don allah a kiyaye a bar yanke karhe ana shiga kuma ana share cawa kuma har iccen da a cikin maɗanye ana kashewa wannan illa gare su babba don icce shi ga kamu ruwa kuma icce ɗiya gare ana amfani da shi ciyawan nan Désormais, les communautés ont compris qu'il n'y a qu'elles qui peuvent prendre les mesures réelles pour la survie de ces trésors. Pour ce fait, il est de leur devoir de respecter leur engagement pour mieux sécuriser les acquis de ces rentes qui n'est autre que le leur. Très beau reportage d'Abdoulaye Bagassa qui est en ligne avec nous. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour Kaya. Comment ça va ça va, Alhamdulillah. Bonjour à toute l'équipe. Euh, est-ce que, Abdullah, est-ce que la situation que traverse ce ranch actuellement peut constituer une menace de fermeture Ah, mais justement, j'allais dire que même si quand même euh, ce que les, interlocuteurs qui viennent de passer euh, l'ont souligné, je le regrette hein, de, de, vous annoncer que la situation ne fait que se dégrader parce que mm. rien qu'avant-hier, il y a plusieurs dizaines de, têtes qui ont été emportées par des hommes armés. Oh. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est regrettable. si on ne fait pas, si on ne prend pas garde, euh, on risque de perdre ces trésors, comme je l'ai dit. Alors, Abdoulaye, si la situation continue de s'aggraver, comme tu l'as dit, quel serait le sort de la population qui vit autour du ranch et grâce au ranch Oui, mais ils l'ont déjà dit, ils l'ont décrié parce qu'ils savent bien sûr qu'ils tirent profit de ce ranch. Ils tirent profit parce que c'est le lieu où ils peuvent trouver aujourd'hui les espèces rares, hein, des, espaces herbacés en disparité. C'est dans le là qu'ils peuvent le trouver. Et c'est dans le là aujourd'hui qu'ils peuvent trouver de la paille, parce que bien sûr, en dehors de ceux qui sont en train de vouloir euh, casser les clôtures et les, protections pour introduire leur bétail, il y en a qui partent pour uniquement prendre la paille pour la vendre sur les marchés. Donc, si aujourd'hui, ils ne prennent pas garde, ils continuent à couper les arbres, et, ils il va de soi, le rente, ce ne sera qu'une histoire, ça va, ça sera en tout cas une perte pour tout le monde, et même pas pour le niveau local, mais une, une perte au niveau national. Merci Abdoulaye pour ces précisions et à très bientôt. Merci beaucoup. Samira, c'est le moment de passer au sport, n'est-ce pas exactement. Rokaya et notre cœur sportif Guruza Hasumi se trouve à nos côtés actuellement dans ce studio. Bonjour Gourouza. Bonjour Mira, bonjour Ruki. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, merci euh, beaucoup. Maintenant, nous allons passer euh, au sport. Je ne sais pas, Ruki, si tu as déjà oh, commencé à oh, t'échauffer. Oui, oui, <laughs> nous allons parler du taekwondo avec les préparatifs de leur TGV. Oui, effectivement, Ruki, durant ces vacances, il y aura un grand nombre de coupes et de tournois au niveau du taekwondo à Niamey et à l'intérieur du pays la Coupe Alpha-Ga, la Coupe Mamancho, la Coupe Alphazazi, et il y aura des tournois interclubs. L'objectif, euh, c'est d'occuper les jeunes durant ces vacances et cela permettra le brassage, et la solidarité dans le fair play. la particularité au niveau du taekwondo, il faut noter c'est les promoteurs des clubs qui organisent toutes ces activités sportives. La Fédération nigérienne de taekwondo est mise en collaboration et c'est le 29 juillet le début des compétitions et les préparatifs vont bon train selon Maître Moussa, responsable du club Dragon d'Or, ceinture noire, 4e dan. Nous l'écoutons. Euh, on est aussi dans les préparatifs aussi pour euh, vraiment euh, que les athlètes soient vraiment à jour pour rencontrer ces PGV là. Il y a beaucoup de clubs, il y a les clubs de Niamey, de l'intérieur du pays et même eh, des internationaux. Oui, c'est pour la promotion vraiment de la jeunesse, c'est pour que le taekwondo eh, continue à grandir au Niger et vraiment dans dans l'Afrique, juste euh, dans le monde entier aussi. Vous pensez que le taekwondo nigérien marche bien Oui, en effet, ça marche, ça marche pour le moment. On ne dit pas que ça marche pas, mais euh, ça ne manque pas de, petites euh, erreurs, quoi. Vraiment, avec le pain, ça va s'arranger et ça va bien marcher, Charles. Et parce que le taekwondo, vraiment, je veux dire que c'est pas parce que je le fais, mais vraiment, c'est l'art roi. Ça contribue beaucoup à la santé, d'abord. Ça contribue aussi vraiment à la défense et ça contribue à l'éducation. Vous voyez, vraiment, c'est un art qui ouvre l'esprit, l'esprit vraiment des gens C'est vraiment très important. Les préparatifs vont bon train. On peut estimer à combien le nombre euh, d'athlètes athlètes qui seront là Le nombre d'athlètes bon, ça dépend de 500, 600 athlètes. Je crois que ça va aller jusqu'à 700 hein, Et Gourouza, le Maroc et l'Égypte sont qualifiés pour la finale de la Cannes U23. Oui, en demi-finale, la Tanger, l'Égypte a remporté par un but à, à zéro face à la Guinée-Conakry. La deuxième demi-finale opposait le pays organisateur, le Maroc, qui a eu le dessus sur le Mali difficilement Grâce au tir au but de deux au temps réglementaire, l'Égypte, championne en titre, défendra son titre samedi prochain face au Maroc au complexe sportif Prince Moulay Abdellah du Maroc. Une finale qui s'annonce palpitante. Voilà, Rocky. Merci, beaucoup, Gourouza, pour toutes ces informations sportives. Aujourd'hui, le portrait du jour nous amène à la découverte d'un bijoutier. Oui, Samira, il s'agit d'Abdraman Moumini, âgé de 41 ans, résident au quartier Nordiré dans le 5e arrondissement de Niamey. Celui-ci a commencé à exercer le métier de la bijouterie en 1999 au Centre des métiers d'art situé au musée national Boubhama de Niamey. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre Voici comment il mène ses activités. 1999 ifo no nan ne na goyo wasu ba eh to hai kan ma ga ainu goyo su ban dagiti da irko te ni man te beri masika gorgane dole dole kal dai jinte gwamnati goiteri ba dai ni te beri mo dindi goyo kan ni ba din dindi afo kan ga ni ka bisa nim koy ga ta bisa don ka ya kan ma girfa ngir di nafa kan ni du wara to gaskiya nafa kan ngai du goyora igba gumo kalde amici aran sai jerai zama haikul karani na fami kina to kul haikul no sino kan bisani sai wodiyon zamu goyora ai dugite riyon bobo kan demanti goyowo do hare ai ji mata no ai gite ga riyon ngai dinte zama za ai ko afrika lai sintin ko annasarai labu akulmo goyowora dainu irko na dogona taise eto kuli kul'iga bay kan sendey si jangara sendey fono ni goga du wala ni dona ga du goyowora sendey kan ay dona gu du goyora ir nigeria nge isi kan irjinay bongumo sendey sintina dayno ya isof imne jine yacin filan halabu filan no ifunda ga kanda ay nongo ingono iga gande karra alors que mo dina fu jine dai ina te fu iye ga dai fu fu bormono na dai koyne donc fa aga bagumuna noro mum yega gor labora koyne manti in ka tareno akwai tare. eto ce yon fono ni gite dangazan ka furta je yon kan hukuna isinda goyi wala igode ga goro to ce ngo kan gite furta je se hal ni ka goro fu gane nya se ai no waranka wal baba ai no waranka ai man de kisayi ai man artirka ai man cirkoso kan bugoye ga bagumu nigerra kan igihinga hinga haifo bobo cendi kaborse dole no kala wone wal wone kan kul ni lakalo yeti din kai ni bon, kul ni ginga kulti ima gorfu yo no ingono gati masal bobo gon kan gogate il kul jeneso igo Paske parce que nin ni ni bon zambar woy ininke ikagino million fo don no nim furara mais ding bayni gonda hay kan ni go gin modi kul kan i proposer se dinga bai goya mu noni sifurara parce que ni bai ni gondo goy kan ni gote kan ni gogin bafuna senda donc vaut mieux que hali ga gorofu i tunga ka ginga goy ceci mu goro ga goy kulka dumano ite da dai kan wonno abisa ise gora paske labai kulkan koyji ne a woni wani walwani irin sambu ba da sin misali ina kambu goy sambu ga bisa haikul eke mo andu nyara labu sinu gice ba haifo ko koyondo hare akul mo kambu go dai no ino gabi ga bisa haikul de mo no de no haikul kan ni sambu son sin noni gane ina goyo sambu da gabi donc jeunesse im kokari ga koi ginga kambu goy ceci ga dondon ga wani a bisa i gorfu watikul ga barkar yomote Après ce portrait, chers auditeurs, euh, passons maintenant à une petite euh, balade musicale dans cette émission. Nous vous proposons le titre Jamila du groupe Orco 5. garbi aba jamila allah ya ba dukawa ke ka samu da duniya da ce ka samu da koriya murna yake

daimu wayo jamila no domo C'était le titre Jamila du groupe Orco 5, fidèles auditeurs. J'espère que vous avez apprécié. Samira, c'est l'heure du loti du jour. Oui, Rokaya, le loti du desk femme du studio Kalangu parle aujourd'hui euh, du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, Samira, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison, surtout où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre euh, <laughs> toi et Rekia Arimi. <laughs> Affairage, affairage, affairage, ne bouge pas, hein. Mais où est-ce qu'elle est, mise J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramo Ramo Ramo Allah, qui m'appelle comme ça à l'air là Ah bah, que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul Il a manqué de peu de tomber dans le puits. Quoi Subhanallah Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Habibou Habibou, où est-il Arrête de crier, il est juste là. Oui, mon Dieu, Dieu merci. Oh. Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans. Et vous n'en saurez rien. Et vous n'en saurez rien. Mon Dieu, j'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là. Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant du puits, chaque jour que Dieu fait, j'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes. Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits, et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau hmm. C'est mon mari, Wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits. C'est une bonne chose, mais avant demande-lui de consulter un spécialiste, car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants. En effet, il a déjà pris attache avec eux. Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage. T'inquiète, ma copine. J'y veillerai personnellement. D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant. Mais c'est normal, non hmm. Et eh, merci En tout cas, merci d'être là, ma chérie. c'était le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Samira, on prend une pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. fidèles auditeurs, dans ce studio, euh, nous allons écouter à présent hein, une explication de l'expression déguerpissement en français et en foldé avec Soumana Amadou. La saison des pluies est une période propice au déguerpissement des populations qui ont construit dans des espaces non constructibles ou d'intérêt public. Le déguerpissement est donc l'opération par laquelle il est fait obligation pour des motifs d'utilité publique à des occupants d'une terre appartenant à la puissance publique de l'évacuer, même s'ils ont cultivé ou construit. Il sert donc à mettre fin à une situation d'occupation illégale d'un terrain. Par extension, le terme déguerpissement s'applique aussi à des destructions des bâtiments construits sur des terrains non constructibles. Les opérations de déguerpissement sont assez courantes au Niger où de nombreuses personnes construisent sur des terrains au statut foncier flou. Le déguerpissement n'étant pas une expropriation, le déguerpi ne touche pas de juste et préalable indemnisation. Donc euh, je vais donner l'explication en fulfulde. full fulfulde wakati ndungu wakati no Wakat no imene e en ya hana ka kam dabare tilsine, dilla ɗo wonɗo allah e nokkurne enɗa hoota e junngo sembe fey so tawama joomum waɗɗon gesa non na ñiɓuɗo noon ɗum wawi ɗum dillina ɗum ɗon enɗa e guinol ngol no waɗe du wakkati gon ñibdiji tawte ɗon kañon ko fusete himɓe ɓen dilline e nder leydi niger eɗum yawi wadde sanne saabu himɓeje ñiɓatana nokkuje to hana ñiɓude ɗe heɓire dow gongako egginol himɓe na imminon himɓe ngol enɗa hawta e jaɓugol nokkuje himɓe ɗe jeeyi ɗum saabi imminon himɓe ngol enɗan walna imminaɓe e enɗan hokkede hunde fuu e dow fi o enɗan Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en houssa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. 82 89 89 64. Okaya, c'est le moment pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. lalle e studio kalangu miɗon kettino ɗum sarne e studio kalangu no weeli men gar radio fra'a no nanga e studio kalangu illa janɗe joyi fayago janɗe jeeɗiɗi ko ɓuuri weligoyam ma nder eh, habaruji maɓɓe ɓe kokka habaruji ko firtata hoore hakkunde duroɓe e remoɓe kadi yaago janɗe eh, jeeɗiɗi ɓe gaɗa fada globe fada club ko ɓe gatta samedi dimanche ɗon e enna bo no welimen sanne wakkati fuu mi ɗum kettino ɗum no hani mayi e fada club on gam eɗum waɗa dandire waɗa hawsare no hani e fulfulde bo hande ɓeyditama nder gam fulɓe ɗuggal fulɓe no kettino e sidio kala ngu ɗo e enna nder e leydi gaya ko ɓuuri fuu welu gaya hano pirtolo ko e himɓe ɓe kolla himɓe sanne ɓe peera guide himɓe dow kujje feere feere jaati ɓe gaɗa habaruji maɓɓe ɓe pirta kadi koye himɓe dow jonne duniyaru dow hakkunde durooɓe he remooɓe faa hannde baa jonne ni hakkunde dekirawo he gurirawo noyi jonne mum wooɗirta ɗum fo studio kala nguno waɗa ɗum to ayi noon ni hettinagu studio kala nguno nafa sanne min getti bo studio kala ngu no haani faa jooni ɓe ɓeyda ɓe kaɓɓanni a ɓe ɓeyda keerol ko ɓe gatta ko watte faada clobbe on miɗon giɗi ɗum sanne miɗon kettino ɗum hande kay ɗum ɓeydanamen he fulfulde ɗum teɓa fulɓe hande gaɗanamen faada clobbe ne heɓa fulɓe kettino ɗum ɗon no firta hoore yimɓe sanne ne e ɗum firta hoore yimɓe sanne miɗon giɗi ɗum hando e hakko yimɓe tawaɓe nde ladde nde ɓe kettino ɗum ɗon a tawan noon koye maɓɓe peeri sanne Chers auditeurs, Studio Kalangu, aussi et surtout la grande édition du soir, les cinq journaux en langue nationale et en français, et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Rafika Etaher, notre collègue chargée de présenter le journal d'aujourd'hui en français. Bonjour Rafika, quels sont les titres Rebonjour Mira. Alors, pour les titres de ce soir, un incident a opposé samedi les habitants et deux éleveurs de la commune de Tanda. Cela a semé la panique dans le village, mais les autorités ont ramené le calme. Vous aurez la situation ce soir. Nous parlerons ensuite du déroulement de la campagne agricole de la région de Difa où 49% des villages agricoles ont effectué les semis. Et enfin, dans la partie magazine, vous suivrez la situation des forêts classées de Gaïa qui sont menacées. Merci Rafika, fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Abdraman. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro avec un autre duo. La technique a été assurée par Seni Isaka et l'édition par Adama Dawaki. On vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes du studio Kalango.